le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Fidèles auditeurs, euh, bonsoir et merci de suivre les programmes de Studio Kalangu qui vous sont diffusés en direct euh, par 45 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Nos programmes sont aussi disponibles sur euh, notre site internet www.studiokalangu.org, notre page Facebook Studio Kalangu et sur WhatsApp au numéro 80 06 88 54 aujourd'hui, le forum de Studio Kalango parle de la contribution de la limitation des mandats présidentiels au renforcement de l'état de droit et à la promotion de la démocratie souvent considérée par ses partisans comme étant un garde-fou contre un pouvoir effréné, la question de la limitation des mandats devient de plus en plus une question de grande préoccupation dans plusieurs pays africains. En effet, l'Afrique euh, semble encore euh, loin d'en avoir fini avec l'aide des présidents à vie dont le maintien au pouvoir à tout prix n'est pas sans conséquences sur la démocratie, la stabilité et le développement socio-économique des populations des États concernés. Que signifie la limitation des mandats présidentiels Pourquoi est-elle prévue dans les constitutions de nombre de pays africains quelles sont les dispositions qui la prévoient dans la constitution nigérienne Peut-on faire le lien entre l'imitation du mandat présidentiel, état de droit et démocratie Pour répondre à toutes ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Elisabeth euh, Cherif, Elle est politologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et l'acteur de la société civile nigérienne, Elhaji Diabdou. Et là, Abdou, bonsoir. Au microphone pour la présentation de ce forum, Michel Deji. Docteur euh, Elisabeth Sherif, euh, euh, politologue, pour commencer la limitation des mandats comment peut-on la définir La limitation des mandats, euh, c'est euh, la disposition qui limite euh, la réélection des présidents sortants. Comme vous l'avez dit, c'est une question d'actualité, encore sur le continent africain, mais qui remonte à très longtemps. C'est important de rappeler que depuis l'apparition de la démocratie dans les cités grecques et romaines, il y avait des dispositions sur certains types euh, de mandats, de fonctions qui ne permettent pas aux détenteurs de ces mandats-là d'être réélus à, plusieurs reprises. Dans le cas des, des cités grecques, par exemple, il y a des fonctions que l'on peut exercer que pendant dix ans et à la fin de ces dix années, il faudrait attendre dix autres années pour pouvoir y postuler. Dans les cités romaines également, pour une fonction à la tête de la magistrature, il faudrait pour un il faudrait attendre par la suite une dizaine d'années pour être réélu. Euh, dans le contexte contemporain, c'est important de rappeler que la constitutionnalisation du principe de la limitation de mandat qui ne permet pas la réélection à partir d'un certain nombre de mandats des présidents sortants est apparue aux États-Unis à travers le 22e amendement promulgué en 1951 après les quatre mandats exercés par le président Roosevelt élu pour la première fois en 1932, réélu en 36, en 40 et puis en 44, même s'il n'a pas pu exercer tout le mandat, mais quand même il a brisé une tradition qui était à l'époque en cours aux États-Unis, qui n'était pas écrite, mais qui était respectée plutôt depuis George Washington, qui a préféré limiter le nombre de son mandat à deux. Euh, en Afrique, sur le continent africain, donc on n'observe depuis l'amorce du processus de démocratisation au début des années 1990, euh, donc l'application de ces, l'adoption et la mise en application de ces dispositions limitant le nombre de mandats. Alors, cette limitation peut être réduite dans certains pays. Euh, il y a euh, l'interdiction de réélection. On n'exerce qu'un seul mandat. D'autres permettent deux mandats consécutifs. Donc, le président sortant peut être réélu, mais une seule fois. Et donc, et euh, peut éventuellement dans l'avenir se représenter aux élections. Mais il y a des pays qui ne permettent que une seule réélection, donc deux mandats seulement par personne pour euh, éviter euh, donc euh, des dérives monarchiques et autocratiques. cette application sur le continent africain est plutôt diverse elle fait paraître des disparités. Mais docteur Elisabeth Chérif, pourquoi la question de la limitation des mandats est prise en compte dans la plupart des constitutions et quelles sont les dispositions qui la prévoient dans la Constitution nigérienne Dans la Constitution nigérienne, c'est surtout l'article 47 qui, vous savez, euh, fait l'objet d'une procédure particulière pour sa révision. Mhm. Alors, d'une manière générale, comme je l'avais souligné tout à l'heure, c'est surtout pour éviter les dérives euh, autocratiques. Mhm. On pense que euh, lorsque l'on reste longtemps au pouvoir, il y a des risques d'une personnalisation du pouvoir. Euh, la confusion du pouvoir personnel et celui de l'État, ce qui pourrait amener même les citoyens à confondre euh, le régime à la personne. Quand il y a une désaffection vis-à-vis euh, de la personne, ça mm. peut se refléter aussi sur l'adhésion des populations aux institutions qui sont dirigées par la personne. donc voilà. pour rappeler un peu euh, cette citation célèbre qui dit que le pouvoir a tendance à corrompre et le pouvoir absolu euh, corrompt absolument. On a euh, l'impression que plus on dure au pouvoir, plus on prend de l'assurance et puis les risques de dérive sont encore plus élevée. Euh, la limitation des mandats euh, euh, ne permet pas surtout le renouvellement de la classe politique et elle est la cause de beaucoup de frustration quand une opposition est là et qu'elle sait que elle ne pourra pas accéder au pouvoir que la possibilité de l'attendance n'est pas permise. Donc, cela pourrait engendrer des frustrations qui peuvent donc se solder des troubles et des crises euh, très importantes. Merci à vous, docteur Lajidi Abdou. Peut-on faire le lien entre euh, limitation de mandat, état de droit et démocratie Merci beaucoup. En réalité, c'est une dimension, l'alternance. C'est une dimension de la démocratie qui s'appuie sur le principal pilier de l'état de droit le souci de cette alternance, surtout en Afrique où on a un passé de régime d'exception, c'est le culte de personnalité. Pratiquement, on a abandonné l'intérêt général. Tout est autour du chef, c'est son clan. Et finalement, c'est la dérive en fait. Donc c'est ce souci d'alternance qui est une dimension de la démocratie qui fait que on met l'accent sur la limitation de mandat. Ce n'est pas en Afrique seulement, c'est partout au monde. On fait cela parce que, comme le docteur l'avait rappelé, cette euh, assertion qui dit que le pouvoir corrompt. Donc, si on vous laisse vous éterniser, pratiquement, vous ne servez pas l'intérêt général. Vous ne servez que votre clan, c'est le culte de la personnalité, tout le chef, on ne voit pas. L'État est confondu à la personne du président. Et les conséquences, on les connaît surtout en Afrique, où on a un passé des régimes d'exception qui en réalité c'est la dérive, les gens font ce qu'ils veulent et on ne change pas grand-chose en fait. Donc il faut changer, il faut qu'il y ait cette alternance-là, c'est ça qui fait revivre la démocratie, c'est ça qui donne le sens à la démocratie. Maintenant le véritable problème c'est en Afrique, parce que le problème de l'Afrique c'est que j'avais écrit un texte là sur. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'on a l'impression qu'en Afrique, que les gens se sont entendus pour acheter un faux produit Parce que la démocratie en Afrique, ça ressemble à un faux produit. Parce que les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas vraiment à la démocratie. C'est pour cela, pratiquement, on a même oublié le monde. On a oublié tous les autres continents mais ça fait du mal. C'est en Afrique où ce problème de limitation de mandat est devenu un défi véritable. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des facteurs Il faut qu'il y ait une alternance. L'alternance mhm. c'est une dimension pour rendre la démocratie viable. Sinon, même la démocratie, quand quelqu'un s'éternise au pouvoir, mhm. ben, il n'est plus, il n'y a plus de rendement. C'est le culte de la personnalité, l'intérêt général. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple c'est pour le peuple. Quand le dirigeant s'éternise au pouvoir, ce n'est plus pour le peuple, il n'agit plus pour le peuple. Mhm. Il agit pour lui-même, pour son clan. Parce que c'est le culte de la personnalité, on a oublié le pays, on ne voit que le tout-puissant empereur, parce qu'il n'est plus un président, il devient un empereur. Il fait ce qu'il bon, lui semble, il pense même qu'il dispose de la vie ou de la mort des gens. Et finalement, ça n'a rien à voir avec l'intérêt général et le sens de la démocratie. C'est évidemment qu'on prenne en compte l'intérêt général. Et c'est cet esprit-là qui, qui avait fait cela. Et puis, bon, vous voyez, malheureusement, comme il ne croit pas à la démocratie, il cherche à un peu contourner le, principe. Euh, en changeant de constitution. Il oublie que l'esprit du législateur, qui a limité Prenons l'exemple de notre pays et de beaucoup d'autres pays. Il a limité ça à deux. Maintenant, même si vous changez ce que vous avez fait le deux, par exemple, quand vous prenez le, Niger, on dit tout celui qui a exercé durant dix ans la fonction du président de la République, il ne peut plus se présenter. Même si vous changez la constitution, dans l'autre constitution que vous allez faire, comme si vous prenez <laughs> l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous changez, vous dites que c'est une nouvelle. Non. On a dit tout celui qui a exercé durant 10 ans, vous ne pouvez plus être. Donc, même si vous la changez et vous mettez ça, vous ne pouvez pas être. Et nous, ici, vous voyez, la psychose qui caractérise l'Afrique, notre constitution de la 7e République, de ce n'est pas la même que celle de la 5 République. Celle de la République, après un temps, vous pouvez revenir. Vous ne pouvez pas consécutivement faire un troisième. Mhm. Mais celle-là, là, vous ne pouvez rien faire. C'était l'application de Tazartier mhm. qui a amené euh, le législateur, en fait, à concevoir cette constitution-là. C'est une réponse à peu près à, au qui s'est passé. C'est pour cela, et on l'a verrouillé. Merci à vous, Elhaji Abdou, Justement, par rapport à cette question de limitation de mandat présidentiel, je vous propose de suivre l'avis du constitutionnaliste Dr Maina Karté. Il est secrétaire général de l'Association des constitutionnalistes du Niger. Il estime que sans limitation de mandat, il n'y a pas de démocratie. La démocratie moderne, surtout la démocratie africaine, ne peut s'accommoder d'une réélection sans aucune restriction. Il faut restreindre les mandats. Sans limitation des mandats, il n'y a pas de démocratie. Pour une bonne culture démocratique, la formule en vigueur à travers l'Afrique, c'est la possibilité d'être réélu une seule fois. Vous avez des mandats de 4 ans, de 5 ans. Donc un président euh, peut faire 5 ans puis être remplacé. Euh, mais au-delà, ça euh, va se transformer en monarchie. Surtout pour les régimes africains qui en réalité sont des régimes pas présidentiels ou semi-présidentiels, mais des régimes présidentialistes qui souvent euh, dégénèrent même en dictature féroce. Quand on ne limite pas les mandats, on consacre des oligarchies à la tête de nos États. Les instruments africains de consolidation de la démocratie notamment la charte africaine de la gouvernance de la démocratie, la charte de la CDAO, doivent pouvoir être un peu plus explicites par rapport à la question des mandats. Il y a des critères de convergence constitutionnelle au niveau de ces institutions africaines-là. Il faut que, de par les organismes communautaires africains, il y ait une idée nette par rapport à la limitation des mandats, parce que les chefs d'État africains ne parviennent pas à s'approprier cette culture de limitation du pouvoir. Dans le protocole ASP de la CDAO et aussi dans le protocole de l'Union africaine, il faut euh, vraiment euh, des prescriptions nettes par rapport à la limitation du mandat politique. Il faut qu'on l'écrive dans les textes communautaires et dans les textes de l'Union africaine. Comme ça, les chefs d'État ne seront pas tentés de faire une aventure pour déplafonner le mandat. Il y a beaucoup de fondements juridiques internationaux, régionaux, qui donnent la possibilité aux organisations africaines de dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les mêmes mécanismes avaient prévalu en 2009 au Niger. quand on ne limite pas les mandats, on consacre des oligarchies à la tête de nos États. Partagez-vous cet avis du constitutionnaliste Maina Karté en tant qu'acteur de la société civile, LAG Diabdo. Oui, effectivement, en Afrique, comme les gens ne croient pas en réalité à la démocratie, évidemment, si vous laissez les mandats sans limitation, les gens vont s'éterniser et vous allez produire euh, une monarchie. Et ça va même se transformer en dynastie, en fait. Ça, c'est juste et c'est même ce souci qui a fait que, évidemment, on prévoyait ou on a prévu cette limitation dans toutes les constitutions. Ce n'est pas en Afrique, c'est en fait la particularité de l'Afrique, c'est que les Africains ne croient pas à la démocratie, en fait. Une fois élus, ils oublient tout ce qui est principe de la démocratie. Voilà le véritable problème, parce que vous avez, c'est un continent qui est caractérisé par le non-respect des textes que les pays se sont librement donnés. Quand les gens sont à l'opposition, ils tiennent des discours conformes à la démocratie. Mais une fois arrivés au pouvoir, on dirait que subitement, ce n'est plus ces gens-là. Ils se sont complètement métamorphosés, ils deviennent des dictateurs. Ils ne veulent même pas qu'on leur parle de démocratie. Quand tu parles de démocratie, ils disent que tu veux les renverser. Donc, c'est ça le problème de l'Afrique. Et en Afrique, évidemment, malgré les garde-fous, parce que souvent, ils essaient de les contourner. C'est écrit que vous ne pouvez pas être élu plus d'une fois. Mais les gens, ils trouvent l'appareil et disent que bon, oui, c'est cette constitution-là, mais je la change. Comment se fait-il c'est beaucoup plus donc en Afrique qu'on a cet état de fait Oui, oui c'est ça, c'est cette mentalité-là. Je n'arrive pas à expliquer, c'est une maladie en Afrique. Pratiquement, je n'arrive pas à expliquer comment se fait-il. Une fois au pouvoir, les gens se métamorphosent complètement et ils ne veulent plus entendre la règle par laquelle qui a fait d'eux ce qu'ils sont non, non, ils remettent ça en cause et ils font autre chose. C'est vraiment l'Afrique. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas comment l'Africain peut se transformer comme ça là. Comment l'Africain peut être vraiment euh, tenté et pratiquement c'est devenu une culture. Mais vous voyez, regardez dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, il veut un troisième mandat. Condé veut un troisième mandat. Pourtant, euh, le protocole additionnel de la CDAO. La même CDAO qui conteste le coup d'État malien, mais apparemment le problème de la CDAO, c'est le coup d'État militaire. Les changements de constitution qu'il faut, les troisième mandat, c'est du coup d'État civil et qu'il accepte. Et le, protocole additionnel de la CDAO parle de la bonne gouvernance et que les pays de la CDAO, c'est même en ce moment qu'ils peuvent sanctionner un gouvernement qui n'applique pas la bonne gouvernance. Mais il ne sanctionne pas un peuple parce que le peuple est souverain. Et la souveraineté d'un peuple n'a pas de limite. Mais vous voyez tout ce beau monde-là. Mais regardez, quand la CDA faisait de l'agitation en Guinée-Bissau, déjà, euh, le ministre de la Justice de la Guinée a quitté parce qu'il dit que Kondé est en train de changer la constitution. Ouattara, il a fait ses manœuvres et dans tous les cas, les gens savaient qu'il n'était pas de bonne foi quand il disait que celui-là qui était décédé là était son candidat. En fait, il n'était pas de bon. foi, le Yen savait qu'il manœuvrait et c'est des manœuvres sournoises comme ça. Et tous ces beaux mondes, ces deux personnalités-là, ils veulent faire leur troisième mandat. Mais regardez le véritable problème de l'Afrique. Voilà pourquoi ils ne veulent pas quitter. D'abord, ils ne gèrent pas bien. Parce qu'ils ne gèrent pas bien, ils estiment que les régimes qui vont les remplacer vont les régler les comptes. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la cupidité. En fait, souvent, ce n'est pas véritablement des hommes politiques, mais c'est des hommes d'affaires qui sont embusqués dans la politique. Et pour eux, l'État, c'est la source d'enrichissement illicite. Et c'est par l'État qu'ils peuvent s'enrichir. Et ils nous voient qu'ils ont pris goût avec l'argent. Vous savez, le, cercle de l'argent, c'est un cercle vicieux. Quand on entre, on ne sort pas, en fait. Ils ne sortent pas. et qu'est-ce qu'ils font Ils établissent une stratégie pour remettre en cause complètement la démocratie, parce que la démocratie s'appuie sur la séparation des pouvoirs. Et pour s'éterniser au pouvoir, le pouvoir exécutif, il met la main sur les deux autres pouvoirs et ils produisent une scène bizarre qui oublie que vous, elle est là au nom d'un État. Vous allez déjà dans les élections. à a Jidi Abdou, ça veut dire. Mais évidemment, ça on, fait pas la démocratie. Si on vous comprend bien, ça veut dire que les organisations internationales, au niveau régional et peut-être même continental, doivent euh, s'apaisantir sur euh, ce principe euh, de limitation de mandat et peut-être essayer de réagir comme ça a été. Mais évidemment, ils le savent très bien. C'est le mal de l'Afrique, mais malheureusement, c'est l'hypocrisie. Quand vous prenez les organisations en réalité, c'est des organisations prenant la CDAO. Tous les chefs d'État de la CDAO, là, à quelques exceptions près, n'appliquent pas la démocratie dans leurs États. Vous enlevez un peu relativement le Ghana, le Nigeria, un peu le Burkina. Ben, écoutez, le reste là, ils sont pires que Ibeka. Certains sont pires que Ibeka la bonne gouvernance là n'est pas leur affaire. Quand vous prenez l'ONU même, l'ONU même n'est pas démocratique parce que c'est cinq pays qui disposent de veto et qui décident au nom de tout le monde. Vous parlez du Conseil de sécurité oui. de l'ONU. Donc même l'ONU en tant que telle, elle n'est pas démocratique. Elle n'a pas une leçon de démocratie à donner aux gens. Mais et tout le reste, le reste là, c'est des syndicats. Quand vous prenez la CDAO, la CDA, c'est un syndicat. Ce n'est pas une CDA du peuple. Si c'est la cda du peuple, ils devraient appliquer leur propre texte, le protocole additionnel, et mettre l'accent. Ils peuvent sanctionner un pays. À ce moment, ils peuvent isoler un gouvernement qui n'applique pas la bonne gouvernance. Mais ils ne le font pas, parce que tous, ils se ressemblent. Et ils se protègent. Quand vous les voyez, c'est quand il y a un coup d'État civil. Mais évidemment, le problème, ce n'est pas le coup d'État. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance. Tant qu'ils laissent des présidents faire ce qu'ils veulent, vous avez vu comment Ibeka avait organisé les élections pour sa réélection. Et la dernière goutte qui a débordé le vase pour les législatives, la CDA n'a jamais dit quelque chose et elle sait que ce n'est pas bien. Et personne n'a le courage de venir dire arrêtez ça là. Les textes qu'on a pris, c'est ça. Et en vertu de nos textes, la Côte d'Ivoire, Ouattara arrête ça, sinon on va sanctionner la Côte d'Ivoire. Alpha Condé arrête ça, on va sanctionner. Ici, là même au Niger, il y avait le représentant du secrétaire général Ibn Jambas qui était venu ici. Ça veut dire, euh, malgré ce qu'on raconte au Niger, ils disent que tout va bien, mais quand vous voyez un représentant, et quand il est venu, il estime qu'il y a problème au Niger, potentiellement le Niger est un foyer à problème suite aux élections, parce que maintenant, aujourd'hui, les élections qu'on a, il n'y a pas de troisième mandat chez nous, mais les élections, les conditions sont critiquables, personne ne comprend, l'opposition conteste la CENI, l'opposition conteste la loi électorale, l'opposition conteste tout pratiquement relativement aux élections, et malgré ça, les gens estiment que tout va bien et qu'ils vont aller aux élections parce qu'à un moment, on a entendu les gens dire que avec ou sans opposition. Vous voyez, quand vous entendez ces discours comme ça, là, ça veut dire que dans ce pays-là, la démocratie, là, elle n'existe pas véritablement. Ça, c'est le processus électoral. Docteur euh, Elisabeth euh, Chérif, euh, on a vu l'intervention de LHJ Diabdou, mais existe-t-il en réalité un mécanisme par lequel un État peut être contraint à adopter une euh, limitation des mandats présidentiels dans son mode de gouvernance euh, dans un contexte où cette euh, exigence constitue souvent, dans certains États, un risque de basculement vers des crises institutionnelles graves. Je vais commencer par juste rajouter des petits éléments. Vous savez, la disposition sur la limitation du mandat fait partie euh, des indicateurs du bon fonctionnement de la démocratie. Euh, mais ce n'est pas le gage de la bonne marche de la démocratie. Euh, parce que, ça ne suffit pas c'est pas suffisant. Mhm. Comme l'a si bien souligné Al-Hajj Abdou, vous voyez, un régime peut accepter euh, euh, un président sortant, par exemple, peut dire euh, je respecte la Constitution qui me limite à deux mandats. Je ne me représenterai pas, mais en même temps, il va, organiser des élections qui vont faire venir au pouvoir quelqu'un qu'il pourra téléguider. Mhm. Ce sont des exemples qu'on a vus un peu en Afrique où euh, des présidents sortants s'organisent à créer eux-mêmes leur relève. Au fait, la relève, elle ne se fait pas. La personne qui arrive au pouvoir ne constitue pas un choix véritable du peuple. Pas du tout, dans la mesure où les élections n'ont pas été organisées de façon, mais vraiment transparente et de, de manière à, occasionner une véritable alternance, n'est-ce pas Au fait, l'alternance qui se passe, ce n'est pas à l'échelle du pays, hmm. mais c'est à l'échelle du parti au pouvoir. Euh, c'est juste la personne, euh, le président sortant qui change, mais le parti est en place parce que il est vainqueur d'une élection plutôt contestable. Euh, c'est aussi intéressant de dire que, au fait, le défi se présente encore un peu partout dans le monde. Et en Afrique, il faut aussi avoir le courage à un certain moment de dire que, au fait, le problème est beaucoup plus prononcé en Afrique francophone. Euh, en Afrique anglophone, la question même de la limitation du mandat ne, pose plus de problème. Ils ne sont plus à un stade où on félicite un président sortant parce qu'il dit qu'il va partir. C'est vrai qu'ils ont euh, par moments des, des, crises post-électorales, euh, mais, mais vraiment la disposition de la limitation du mandat, on a tendance à la respecter dans ces pays. Et vraiment, c'est une question d'engagement. Comme je l'ai dit au début, euh, la tradition même de la limitation du mandat jusqu'en 1951, n'est-ce pas, elle n'était pas inscrite dans la Constitution américaine. Et c'est aussi une menace qui guette toutes les démocraties. Parce que toutes les démocraties sont perfectibles. On se rappelle qu'en France, en 2000, il y avait eu cette limitation sur la durée du mandat. Et ce n'est qu'en 2008 qu'ils ont constitutionnalisé le principe de la limitation du mandat à deux. En 2008, ça veut dire qu'il y a quand même des velléités. Et même récemment aux États-Unis, il y a quand même quelques bribes de débat concernant le respect de cette euh, euh, clause importante pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il faut un engagement populaire n'est-ce pas, qui puisse euh, permettre non seulement la diffusion de la culture démocratique, que la Constitution, qui est une clause écrite ou pas que l'engagement citoyen amène les gens, amène les candidats à se dire au fait, comme l'avait si bien dit Alhaj tout à l'heure, l'intérêt pour le peuple, ce n'est pas l'intérêt personnel du sortant, mais l'intérêt général du pays pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que quand même, la fonction euh, présidentielle, c'est une fonction très prenante. Elle nécessite quand même dans les pays où elle est très bien appliquée, très bien mise en œuvre pour le bien général, euh, elle nécessite beaucoup d'énergie n'est-ce pas, pour que euh, le détenteur de la fonction puisse avoir assez de sérénité, de stabilité pour pouvoir prendre des décisions très importantes qui engagent la vie de la nation. Donc on ne peut pas être en forme physiquement à partir d'un certain moment. Voyez des présidents aujourd'hui en Afrique francophone qui sont au pouvoir depuis 1982. Depuis 82, c'est vrai. On a le cas de Paul Biya du Cameroun. Mhm. Alors, euh, toute une génération des ressortissants de ces pays n'ont vu à, leur tête qu'une seule personne. Mhm. Donc, euh, physiquement, ils sont un peu fatigués. Mhm. On l'a vu récemment en Algérie avec la volonté quand même du président Bouteflika à continuer un mandat présidentiel. Euh, là aussi, après quelques tentatives de, de de, contournement de la norme. Physiquement, ça ne tient plus, mais on insiste quand même. Parfois, il y en a qui disent que en fait, c'est pas prévu dans leur constitution. Ça veut dire qu'ils trouvent cela légal et en même temps légitime, puisqu'ils disent que c'est à la demande du peuple. Mais que peut faire la communauté internationale en pareille circonstance euh, Parlons des organisations au niveau régional et continental, euh, docteur Elisabeth Sherif. Lorsqu'on s'engage dans une institution qui valorise certaines normes, c'est important de faire respecter ces normes-là. Euh, mais c'est important de le faire non pas de façon conjoncturelle. Quand il y a une crise, et c'est là où les regards sont tournés vers le pays, mais c'est important d'avoir en tête, d'observer véritablement euh, le fonctionnement politique de ces États-là. Là, je l'avais bien dit tout à l'heure. Euh, je pense que euh, en 2015, quand le président Ouattara avait dit qu'il allait faire une révision de la Constitution, les gens, compte tenu des précédents qu'il y avait eu sur le continent, on pouvait se dire que ben voilà, on tend vers la révision intéressée euh, de la Constitution. Euh, c'est la même chose pratiquement en Guinée parce que, parce que Condé, il a trouvé un précédent. Condé a fait la même mhm. chose. Mhm. En 2003, au lieu euh, de, il a fait, il a initié une, révision de la Constitution pour pouvoir quand même se représenter à vie, enfin avoir la possibilité de se présenter à vie. Mhm. Le même cas est aujourd'hui, le même cas de figure se présente au Tchad où, euh, après avoir euh, abrogé la clause de la limitation de mandat en 2018, le président Déby a initié une révision de la Constitution, ce qui veut dire que en 2021 il sera à son premier mandat du sextennat de la nouvelle Constitution. Donc c'est vraiment un, regard constant, structurel pas seulement quand il y a une crise, quand, euh, quand il y a la conjoncture. Il faut voir le, contexte, euh, mais vraiment, le fonctionnement à long terme, pas tout simplement euh, euh, prêter prêter attention au débat. Le problème de la présidence à vie d'un certain pays africain soulève aussi la, la question, l'importance de la nécessité de constituer la relève. La, la, nécessité de former une élite, que chaque parti au pouvoir euh, la fonction des partis politiques, c'est déjà la formation, l'éducation politique de ces militants n'est-ce pas Et au sein des partis politiques, chaque parti politique responsable doit veiller à ce qu'il y ait une relève conséquente qui puisse porter euh, euh, les, principes, l'idéologie, le, la vision du parti, n'est-ce pas, et qui progresse, qui est cet échange-là entre ceux qui sont expérimentés et les jeunes talents, n'est-ce pas, et que les uns soient là pour regarder, pour transmettre leur savoir-faire, mhm. n'est-ce pas, pour permettre à ceux que, au moment opportun, qui, qui est euh, des jeunes leaders responsables capable de prendre la relève. Et c'est un problème important en Afrique dans la mesure où, au fait, on ne responsabilise pas le jeune. Le jeune ne devient responsable que quand l'aîné n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, voilà, euh, ce tâtonnement un peu sur la relève et sur la continuité, finalement, politique en Afrique. C'est vrai, docteur a parlé donc euh, Diabdou de cette façon de vouloir euh, chaque fois modifier la constitution. Il a évoqué le cas, c'est vrai, de la Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara avait justement envisagé la révision de la Constitution et la Constitution a prévu deux mandats et selon une certaine opinion, on estime que puisque c'est une nouvelle Constitution qui est en vigueur, il peut se donner donc le droit d'être candidat sur la base donc de cette Constitution. Mais face à tout cela, quelle solution peut-on envisager face aux crises politiques euh, dans les pays où la limitation des mandats continue à être exigée à travers des luttes que mène un nombre important de citoyens, mais aussi d'acteurs politiques. Bien, merci. Donc, euh, effectivement, comme le docteur l'a souligné, en fait, l'alternance n'est pas la solution. Elle est nécessaire, mais ce n'est pas suffisante. Mhm. La preuve, elle vous a donné l'exemple des élections tropicalisées. Vous pouvez dire que non, non, il n'y a aucun souci. Mais vous tropicalisez les élections. En réalité, ce n'est pas véritablement des élections. C'est juste une autoroute que vous avez élaborée pour quelqu'un que vous protégez et que vous estimez qu'il va vous protéger. Voilà l'exemple le plus emblématique de cette alternance, du contournement de l'alternance. Mais euh, Kinshasa, RDC, vous voyez comment, oui, Kabila dit qu'il ah, l'alternance. Il a échafaudé une théorie et il a fait une alternance, mais véritablement le pouvoir est entre les mains du parti de Kabila. Le président qui est venu là, ben, écoutez, il n'a aucune manœuvre. le Parlement, il n'a même pas la majorité. Alors que le parti de Kabila a la majorité. Donc, c'est des contournements, ils font. Euh, parce qu'ils ne croient pas et ils veulent. Et El Abdou, face à tous ah, ces contournements, comment les populations peuvent-elles contribuer à la promotion de l'alternance Il faut poser le débat et globalement résoudre le problème. Et le problème, c'est le problème de la démocratie. C'est le problème de l'état de droit. Et il faut se battre pour qu'effectivement, effectivement, vous avez entendu, quand euh, le, vous faites la comparaison, les pays anglophones, ils n'ont pas le même problème que les pays francophones. C'est dû à quoi vous pensez c'est dû à la nature de nos constitutions. C'est dû à la nature de notre système politique qui est calqué sur la France. Même si la France a évolué, nous, on gardait les vieux textes. Parce qu'on n'est pas reçu, on ne peut pas changer et on n'a pas intérêt à changer parce que ce qu'on veut là, ça n'arrange pas les dirigeants c'est de l'hypocrisie parce que vous voyez, en fait, euh, véritablement, si vous prenez Ouattara, mais Ouattara, par comment il est parvenu au pouvoir C'est la France qui a amené Ouattara au pouvoir. C'est pas quelqu'un d'autre. Il y a eu des élections quand même. Il n'y a aucune élection. Les gens sont partis, ils ont délogé. C'est discutable les élections la CENI avait proclamé quand même à l'époque Alassane Ouattara vainqueur et mais la Cour pas la même Cour constitutionnelle qui dit que son troisième mandat est juste. Il faut laisser cette affaire-là. C'est ça j'expliquais. Dans leur théorie, pour se maintenir au pouvoir, il agit sur deux organes qui sont fondamentaux. C'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Il crée les conditions pour que la CENI et la Cour constitutionnelle soient redevables au régime et non au peuple pour légaliser toute leur mascarade. Voilà le véritable problème. Que faire alors face à C'est simple, ça c'est la construction de la chinoiserie. Elle appartient au peuple souverain qui a délégué le pouvoir de dire que ça suffit et qu'il imprime la marche à suivre. Il faut qu'il y ait des citoyens, il faut une masse critique des citoyens à même de dire non. Voilà sur quoi on s'est entendu, vous ne pouvez pas dépasser ça là. Il n'y a que la population, il n'y a que les citoyens qui peuvent empêcher. Sinon, tous euh, les textes là, les gens ont des théories pour les contourner. Et ils vont toujours les contourner, ils vont toujours les favoriser. Maintenant, ce qu'on ne peut pas contourner, c'est l'engagement du peuple, c'est mhm. la citoyenneté. Si on a cette masse critique des citoyens, mais en Europe, pourquoi il n'y a pas ces velléités Parce qu'on sait qu'on a cette masse critique des citoyens qui n'acceptent pas n'importe quoi. Donc, ce n'est pas la communauté internationale. Non, quelle communauté C'est pas la communauté internationale qui fait de l'hypocrisie, là. Il faut laisser. Mais <laughs> ce n'est pas les mêmes, là, qui nous disent, mais il faut faire la bonne gouvernance. Mais les gens qui veulent nos, nos, sous, là. Mais les paradis, ils sont où Ils sont en Afrique. Merci à vous, El Abdou. Docteur Elisabeth Sheriff, euh, est-il possible que ce challenge soit définitivement gagné dans tous les pays du continent et quels seraient les gains en termes de renforcement de l'état de droit et de la promotion de la démocratie ce pari, là je l'avais très bien souligné, ne pourra être gagné qu'avec l'engagement permanent des citoyens, mmh. euh, euh, à travers donc l'exigence du respect des textes parce que quand même l'Afrique, euh, une bonne partie des pays africains brillent par l'adoption des textes. Les textes sont cohérents, ils sont, ils sont pertinents. Voilà. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Il faudrait que qui euh, qu'il y ait un élan qui encourage euh, déjà la diffusion des textes mmh. dans toutes les langues locales, mmh. que les gens sachent la vulgarisation de la Constitution des lois de la République, c'est prévu dans l'article 43 de la Constitution du 25 novembre. Il faudrait dans alors, les langues nationales, c'est prévu. Il faudrait alors encourager davantage cet élan pour que, mhm. quand on voit, y compris dans les, dans les, les lieux reculés du pays, mhm. qu'un paysan, quelqu'un qui n'a pas été à l'école puisse tenir tête à un juriste euh, qui se met du rang de ceux qui euh, se donnent comme ambition de faire et de faire des textes en fonction de leurs intérêts, que des populations qui n'ont même pas été à l'école puissent tenir des, langues, des, débats, des discours allant dans le sens de l'imposition, du respect des textes. Mm-hmm. Et c'est en cela que l'on pourra non seulement imposer des bonnes pratiques, mais, surtout amener les uns et aux autres à, véritablement cerner la dimension de la dépersonnalisation euh, du jeu politique n'est-ce pas, et du respect de la clause constitutionnelle. Et euh, quels seraient donc euh, les intérêts que les peuples auront lorsque tout cela est en œuvre dans les États vous savez, euh, au début des années, dans les années 60-70, euh, dans une étude qui a été publiée par le Mandela Institute for Development Studies, le chercheur qui a publié euh, donc l'étude explique clairement que dans les années 60-70, l'essentiel du changement politique en Afrique se faisait dans la violence. Mais en 1990, de 75%, on est quand même arrivé à réduire considérablement ce pourcentage au point où dans les années 2000, on, ne comptait que 15% des départs violents du mmh. pouvoir, mmh. n'est-ce pas Donc cela a considérablement euh, réduit à cause aussi de la clause, du respect de la clause, de la limitation du mandat dans certains pays qui évitent des crises, n'est-ce pas Mais il, faut aussi euh, faire comprendre qu'il y a une exigence de la bonne gouvernance que le respect de la, de la limitation du mandat peut aussi permettre de réduire considérablement la corruption, dans la mesure où les présidents qui ambitionnent de rester éternellement au pouvoir sont d'une certaine manière parfois obligés d'entretenir une clientèle, de développer des des réseaux ramifiés de corruption alimentés avec des fonds publics. Et donc, le fait de ne pas pouvoir avoir la possibilité de s'éterniser au pouvoir amène les, présidents, donc, non pas à, alimenter les réseaux de, de, corruption, mais à être beaucoup plus redevables envers leurs citoyens. envers les citoyens. Merci à vous, docteur. Un mot dans ce sens pour terminer. Là, j'ai les gains en matière euh, de promotion de l'état de droit et de démocratie mais ça, c'est même simple, parce que c'est la bonne gouvernance. Mm. Et quand le peuple veille à ce qui est la bonne gouvernance, ce qu'il a de l'eau à boire potable, il va, on va le soigner, on va l'éduquer, il va s'épanouir. Les droits qui ont été dictés dans la Constitution, là, c'est que les citoyens peuvent jurer de ça. Parce que le véritable problème qui s'oppose en Afrique, c'est la bonne gouvernance. Merci à vous avec votre permission, rajouter un petit truc. Euh, vous savez, c'est important de faire comprendre que l'on ne combat pas des personnes. Quand on impose la limitation du mandat, ce n'est pas contre X ou bien Y. C'est un principe. C'est important de, de, de, faire ressortir aussi l'exigence de la bonne gouvernance. Elle n'est pas faite contre des individus, mais contre des pratiques. Et c'est important parce que, vous savez, la façon dont les présidents sortants voit la, manière dont des présidents sortants sont traités euh, des présidents qui ont accepté la limitation des mandats sont traités dans certaines parties euh, du continent, ça les amène un peu à, mettre cette donne-là dans la balance. Mhm. Parce que, comme l'avait dit, si bien dit LH euh, RH au début de l'émission, certains ont tellement brillé par une enfin, ils ont été responsables de, de la mauvaise gouvernance, des abus en tout genre, qu'ils ont peur au fait de partir pour ne pas devoir répondre de leurs actes. et c'est important euh, de faire comprendre que, au fait, on ne combat pas des personnes mais des pratiques, que c'est important d'être intransigeant, exigeant sur la bonne gouvernance et sur la volonté de mettre un terme à l'impunité, euh, de poursuivre euh, les indélicats, les, euh, ceux qui sont coupables de certains actes, mais de le faire de manière très humaine. on combat les actes, mais on laisse à la personne sa dignité pour qu'elle puisse se reconstruire. Elle a besoin de cette humanité. C'est important de traiter les présidents qui partent n'est-ce pas, dans le respect de leur dignité tout en étant exigeant sur euh, la, volonté de mettre un terme à l'impunité et à certaines pratiques euh, qui relèvent de la mauvaise gouvernance. Merci à vous, Docteur Elisabeth euh, Sheriff. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de Docteur Elisabeth euh, Sheriff. Elle est politologue et l'acteur de la société civile nigérienne, Elagi Diabdou. Nous disons un sincère merci à nos deux invités pour avoir répondu à nos questions. À la présentation, vous avez Michel Deji. L'équipe technique est composée de Seine Saka à l'audio et Mustapha Ayouba pour euh, euh, la réalisation vidéo. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui vous parviennent grâce à notre dynamique réseau composé de 45 radios partenaires. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.